le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangou et bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Dans le Forum d'aujourd'hui, nous ferons le point des deux fêtes qui marquent la semaine, notamment la fête des travailleurs du 1er mai, célébrée mercredi, et la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce jour même 3 mai. Autre sujet à suivre dans le forum de la presse d'aujourd'hui, c'est ce qui ressort du sommet extraordinaire des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel élargi à Angela Merkel, la chancelière allemande. Pour discuter de ces sujets, nous recevons nos confrères Hussein Issa, journaliste freelance. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Garé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir bien accepté de participer à cette émission. Au micro, Alassane Kouzi Mahamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 3 mai 2019. Mercredi dernier, les, travailleurs du Niger ont, à l'instar des autres pays, célébré la fête des travailleurs. Une particularité cette année, le principal regroupement syndical, à savoir l'intersyndical des travailleurs du Niger, ITN, a décidé de ne pas remettre de ne pas remettre de cahier de doléances au ministre de l'Emploi pour protester contre la non-satisfaction des engagements pris par le gouvernement précédemment. Plus de détails avec, euh, avec euh, le, président donc, de l'ITN, Mamadou Sako. Le 3 mai 2018, le chef de l'État en personne nous a reçus et a pris l'engagement de veiller au respect des acquis de l'ITN et demandé au gouvernement de conclure un protocole avec nous. En octobre 2018, un protocole a été signé dont les points les plus saillants ont été remis en cause par le gouvernement. Les points les plus saillants, c'est de donner une prime de départ à la retraite de six mois à tout travailleur qui va à la retraite et que ce soit une règle générale aussi bien dans le public que dans le privé. Il y a certains acquis, par exemple la participation des travailleurs à la conférence internationale du travail, ça a toujours été un acquis. Et lors des négociations, ils sont revenus là-dessus. Nous avons des doléances en souffrance depuis 2012, 2015, 2018. C'est pour ça qu'on tenait à faire cette mise en garde. Et que le dialogue social veut dire le respect des engagements auxquels on a souscrit. Voilà, vous venez d'écouter Mamadou Sako qui préside l'ITN, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, euh, relativement à cette rupture qu'ils ont observée cette année en en restant sans déposer de cahier de doléances comme ils le font euh, chaque année. Alors, euh, Amadou, quel est le commentaire que vous suscite cette stratégie de l'ITN, cette rupture dans la tradition de remise de cahier de doléances je pense que euh, a bien choisi son moment. Je pense que c'est la fête du travail. Et il y avait un coup médiatique à jouer pour faire comprendre à l'opinion nationale qu'il y a des problèmes. Je crois qu'en tant tant syndical qui défend l'intérêt des syndicats qui la composent, elle a voulu peut-être un peu alerter l'opinion nationale ou internationale par rapport à la situation. Donc ils ont bien choisi leur moment et je pense que euh, la stratégie est assez intelligente c'est-à-dire que comme on a d'habitude, euh, lors du 1er mai, les cahiers de doléances ou les cahiers de, euh, groupés qu'on donne, maintenant, ils vont choisir, au lieu de faire des communications, de faire des, points de presse, non, non, on va choisir le premier er mai qui a fait du travail pour faire vraiment une action de marque et ne, ne pas euh, déposer le cahier de doléances. Et là, ça va frapper les consciences. Ils ont bien choisi, mm. et je pense que c'est ça qu'ils ont fait, et je pense que c'est quelque chose d'assez de, stratégique. Il appartiendra maintenant à, l'autre partenaire, à savoir l'État, de regarder avec un œil bienveillant les revendications et surtout euh, en tout cas les grèves que l'ITN est en train de, poser pour pouvoir trouver des solutions qui puissent permettre en tout cas d'assurer euh, vraiment euh, en tout cas une bonne en tout cas une bonne une bonne année ou plutôt permettre à ce qu'au niveau de la fonction publique, il n'y ait pas de perturbation. Parce que c'est une alerte que l'ITN donne. Ça veut dire que si rien n'est fait, on risque d'aller vraiment dans un cycle de grève qui peut être préjudiciable à l'économie nationale. Hmm. Alors, Ousseini Issa, vous avez suivi aussi de Sako, en tout cas donnant quelques détails sur les raisons qui les ont motivés à ne pas déposer cette année de cahier de doléances au niveau du ministère de tutelle. Euh, quel est le commentaire que vous, à votre niveau, vous faites de, cette stratégie Mais quand on parle de cahier de doléances, ça veut dire qu'on est des partenaires, on a un certain nombre de, comment je dire, euh, de préoccupations qu'on a Recensé dans un document et à l'occasion de la fête des travailleurs, mm. on, le, on, on, on, les soumet au ministre de tutelle, mm. bien évidemment. Ça veut dire que quand c'est soumis au niveau du ministre de tutelle, ça doit être examiné. Ils viennent de dire que depuis 2012, les doléances sont en souffrance, 2015, mm. 2016. Il faut cesser de continuer dans ce folklore-là, parce que c'est juste un folklore parce que quand on soumet un cahier de doléances, comme je viens de le dire, et moi je pense que c'est stratégique de leur part, c'est une façon de dire au gouvernement, le tout n'est pas de dire on est venu, on a fêté, on a mangé les méchouis, mais encore faudrait-il regarder ce que nous avons soumis comme doléances, essayer de trouver des solutions, même quand il y a des blocages, nous appeler pour pouvoir discuter. Mm. Mais ne pas les prendre et les ranger dans des casiers ou dans des tiroirs et attendre jusqu'à l'année prochaine encore à l'occasion de la fête on toilette juste les mêmes revendications, on les, les, un peu on les dépoussière, on les ramène. Mais quand il n'y a pas d'avancée, moi je dis, et c'est ça le dialogue social. Le dialogue social passe par là. Essayez de régler. Même si vous ne pouvez pas tout régler, parce que ce n'est pas évident qu'on puisse tout régler. Dans un cahier de doléances, il y a des choses qu'on peut régler en, se donnant, comme avait dit, des délais. Dans tel délai, nous pouvons régler telle chose. Dans tel délai, nous pouvons régler telle chose. Mm. Ce qu'on ne peut pas régler, on peut trouver des échanges encore plus peut-être longs. Mais prendre le cahier des doléances et puis ranger ça dans un casier ou dans un tiroir, moi j'ai dit, ça ne sert à rien du tout. Et je considère que cette stratégie, comme vient de le dire Gary, mm. c'est une stratégie mm. pour dire, nous en avons assez de soumettre des cahiers des doléances qui, sont à la qui n'ont pas de suite. Il n'y a pas de suite. Qui sont à la limite. Euh, c'est comme si c'est un jeu d'enfant. On, donne le cahier de doléances. Au lieu de l'examiner, on ne l'examine même pas. Chacun, on, se congratule. Et chacun, euh, il faut attendre encore l'année prochaine. Moi, je considère que hmm. c'est vraiment une stratégie. Peut-être que ça peut porter. Des fruits. Alors, Gary Garé Amadou, il déplore cette centrale, notamment l'ITN, en tout cas l'intersyndicale, déplore surtout euh, le non-respect des engagements pris notamment par le gouvernement lors de certaines, euh, en tout cas, négociations qu'ils ont eues euh, entre, entre eux. Et comment expliquer ce non-respect des engagements du gouvernement vis-à-vis des centrales syndicales Je pense que l'explication se trouve un peu dans l'effritement du tissu syndical nigérien. Vous savez, nous, on a connu dans les années 80 l'USTM, il y avait un seul syndicat, je veux dire, qui, regroupait pratiquement tous les travailleurs. Une seule centrale syndicale qui, regroupait tous les travailleurs mm. du Niger, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Avec le vent de la démocratie, on a vu la création d'une multitude d'intersyndicats, euh, enfin, de, de, de, voilà, mm. de, en tout cas, de, comment on appelle ça là Pas de syndicats, de centrales syndicales, mm. n'est-ce pas Et parfois, les centrales syndicales sont assujetties à des, à des colorations politiques. Vous mm. c'est ça qui a mm. tout gâté. Mm. Et on a constaté à un certain moment, euh, les syndicats faisaient aussi une plateforme commune. C'est-à-dire qu'un cahier de doléances commun. Mais depuis quelques années, on a vu que les gens vont à rien disperser. Je ne sais pas pourquoi. Et quand les gens vont à rien disperser, c'est que l'État a la responsabilité de prendre toutes les doléances et de les analyser vraiment avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Parce que c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que le cri de cœur de l'ITN, certainement qu'il y a d'autres centrales syndicales qui ont peut-être les mêmes problèmes, mais qui, pour des raisons politiques, peut-être ils ne réagissent pas. C'est pourquoi je dis il faut faire attention. Parce que le jour où euh, les syndicats vont entrer en, dans tout cas dans une situation de, protestation à travers des grèves, ça va être très catastrophique pour l'économie nationale. Vous avez vu, depuis quelques années, on ne voit plus de, en tout cas de grève de, de, de centrales syndicales. Je pense que ces centrales syndicales-là ont fait montre de responsabilité. Il faut le dire. Je pense que ont, ces centrales ont fait preuve de responsabilité en en, en, avance, en tout cas en ne s'aventurant pas dans des grèves interminables. On a vu depuis plusieurs années, on ne voit plus ces grèves-là euh, qui bloquent. Donc l'État doit se dire que c'est en tout cas c'est quelque chose d'important qu'elle a eu et qu'elle faudra, qu'elle capitalise. Comment elle va capitaliser C'est en prenant avec sérieux les revendications, n'est-ce pas S'il y a des problèmes au niveau de certains points, comme l'a dit Ousseini, appeler les centrales syndicales venir s'asseoir pour dire que bon, ça c'est un peu compliqué pour le moment, mais ce serait possible dans ça. Mais au moins, c'est les appeler pour discuter et ne pas laisser à ce que, comme l'a dit Ousseini, chaque fois c'est la même routine. On fait le 1er mai, on vient, on dépose le cahier d'audience, le soir on voit on bouffe les méchouis, on fait des pagnes, neuf fois on défile et puis bon, point. Vous avez cité, euh, vous avez <clears throat> noté le fait que euh, avant on avait moins de syndicats, moins de centrales syndicales, c'était l'USTN. Maintenant nous avons beaucoup de centrales syndicales. Est-ce que vous pensez que c'est le, nombre élevé de, syndicats ou de centrales syndicales qui empêcherait au gouvernement d'honorer ses engagements Il faut bien dire que quand même l'effritement, en tout cas le, euh, comme je l'ai dit, l'émiettement du tissu syndical et forcément, ça fait l'affaire de, l'État. Comme je vous l'ai dit, il y a des syndicats qui sont assujettis à des, à des, à des courants politiques. Et donc, même s'il y a une décision, un mouvement de grève, c'est pas toutes les centrales syndicales qui vont, qui vont la suivre. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y a une intersyndicale de travail du Niger. Alors, s'il y a une intersyndicale de travail qui regroupe Niger, des, qui regroupe plus de six centrales syndicales. Il y, a un malaise parce que là, c'est seulement l'ITN qui dit qu'elle refuse de déposer le cahier de doléances. Ça veut dire que les autres centrales syndicales ont déposé les cahiers de doléances. Et donc, il y a un malaise au niveau de l'intersyndicale parce que le but de l'intersyndicale, c'est de faire en sorte que les revendications communes puisse trouver, en tout cas, puisse servir de, de, en tout cas, de, en tout cas, qu'elle puisse peser dans la balance pour faire en sorte que l'État puisse prendre avec plus de responsabilité les revendications. Parce que quand vous êtes groupé et que vous demandez une chose, l'État est plus, l'État est plus encline en tout cas, l'État est plus enclin à vouloir, en tout cas, euh, prendre avec sur votre. Mais quand vous êtes euh, en rang dispersé, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, l'ITN, qu'est-ce qu'elle peut peser par rapport à toutes les centrales syndicales qui, comme je l'ai dit, ont déposé des lettres de. qui, malgré. L'ITN, hein, l'ITN regroupe au moins sept centrales syndicales. Oui, mais, de l'autre côté, il y a un autre regroupement syndical euh, qui regroupe d'autres centrales. syndicales. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'avant, il y avait seulement. ceux-là qui ont déposé. Avant, avant, avant, il y avait seulement l'ITN. Hmm. Maintenant, il y a l'ITN et puis il y a un autre Il y a Et donc là, l'ITN décide que le C'est vrai que l'ITN pèse beaucoup, hein, mm. il faut le dire. Parce que l'ITN, quand même. Quand vous avez au moins sept centrales syndicales qui, composent euh, qui Mais il y a quand même un problème aussi, euh, parce que l'élection au niveau de, de, de, on devait faire une élection pour en tout cas euh, mettre en place c'est en voie oui, mais c'est en voie mais, mais, ça pouvait permettre quand même de ah, savoir ah. qui pèse quoi au niveau mm. du syndical mais jusqu'à présent cette élection là n'a pas eu lieu et ça c'est encore notre problème mm. Merci Gare. nous allons donner la parole à Issa. Issa, euh, c'est central, en tout cas l'ITN, qui n'avait pas euh, voulu déposer des cahiers de violence, déplore le fait que les engagements pris euh, par l'État lors des négociations ne sont pas honorés. Et comment vous vous expliquez ce non-respect d'engagement par l'État moi, je dis quelque part, c'est une mauvaise foi. Parce que moi, je dis à partir du moment où on signe des protocoles d'accord, comme je l'ai dit tantôt, c'est que même quand il y a blocage, on appelle le partenaire pour lui dire voilà la situation telle qu'elle se présente. À l'instant, nous ne pouvons pas régler telle chose, telle chose, telle chose, mais nous pouvons donner des délais. Mais quand ce n'est pas fait, parce que tout simplement, il faut déposer un cahier de doléances pour déposer un cahier de doléances, moi je ne vois pas l'utilité. C'est les mêmes revendications qui reviennent d'une année à l'autre. Alors, s'il n'y a pas la volonté au niveau de l'État de régler ces questions-là, ne serait-ce que par, au compte-goutte, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Moi, j'ai trouvé quand même, euh, et je vais dire quelque part, euh, un peu la sagesse des centrales syndicales ou des syndicats de manière générale. Bon, sectoriellement, on a assisté à des menaces de grève et à la dernière minute, on arrive à trouver des solutions dans le domaine de la santé tout récemment. Mm. Mm. Les, médecins, le syndicat des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, mm. à la dernière minute, on a pu trouver des solutions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, quelque part, moi, je dis, la défense, c'est au niveau de l'État. Parce qu'une fois que vous vous entendez avec quelqu'un, en tout cas avec euh, un partenaire, quand vous n'arrivez pas à gérer le problème ou vous avez des difficultés pour pouvoir régler, il faut appeler le partenaire pour discuter avec lui, pour lui dire, pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de pouvoir aller. Mais allez signer juste un protocole d'accord, comme ça se fait habituellement. Et ça fait problème dans ce pays. imaginez ce qui est en train de se passer un peu au Tchad. On a connu par le passé, lorsqu'il y avait l'unique centrale syndicale, et comme avait dit l'USTN, mhm. mais quand il y avait des grèves qui, qui, qui, On a même assisté à une grève de plus de 55 jours mm. sous, la Troisième République. Mm. Mais aujourd'hui, je, crois que, bon, avec, euh, comme Gary vient de le l'émiettement, l'émiettement, parce que c'est devenu quelque part un fonds de commerce. Les syndicats, les syndicats sont devenus un fonds de commerce. Je suis dans tel syndicat, j'ai quelques problèmes, quelques soucis de positionnement je décide de quitter pour aller créer moi-même mon syndicat avec quelques camarades et on s'engage aussi sur le terrain. Et ça fait qu'aujourd'hui, le syndicat n'a plus, n'a plus de poids. Même quand tu veux l'engager un mouvement, il ne peut pas réussir ce mouvement parce que tout simplement, c'est un rang dispersé. les gens ne suivent pas. C'est la vous Par exemple, vous pouvez, dans le domaine de, de, l'éducation, je prends un exemple comme ça. Dans le domaine de l'éducation, vous avez, je ne sais même plus combien de syndicats existent aujourd'hui. C'est nombreux. Vous, vous pouvez décider, par exemple, syndicat des enseignants du secondaire, vous pouvez décider d'aller en mouvement, mais ce n'est pas évident que, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et ça fait qu'aujourd'hui, ils se sont décrédibilisés. Ils ne peuvent plus faire la lutte comme ils avaient, comme c'était possible avant. Hmm. Aujourd'hui, ils sont obligés et ça fait que même euh, au niveau des militants, il y a une désaffection. Les gens refusent même de payer les cotisations syndicales parce que tout simplement, ils ne comprennent pas. On, on, paye des cotisations syndicales, mais le travail pour lequel, en tout cas, ce qu'on attend de ces responsables syndicaux n'est pas fait. Euh, euh, c'est pas fait. Bien. Ça fait qu'aujourd'hui, je connais hmm. beaucoup de gens, ils disent, eux, ils sont contre. On ne va pas prendre dans mon salaire et, comme on avait dit, pour engraisser, la cotisation pour les, les, gens à ne rien faire. Gare, vous voulez euh, C'est que, que, en fait, le, le, le, en tout cas, la famille syndicale nigérienne est très malade. Hmm. Vous avez vu Avant, on voyait un seul défilé. Mais même l'ITN, qui est l'intérêt syndical, n'arrive pas à faire un défilé. Vous avez le défilé de la CNT ici, le défilé de l'ITN ici. Donc, ça veut dire que déjà là, c'est les signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de la famille. Hmm. Alors, moi, ce que j'ai dit au gouvernement, c'est que en tout cas, cette, prise d'opposition de, la CNT doit être prise au sérieux. Parce que pourquoi mm. Parce que c'est le signe d'une prochaine, d'un prochain mot d'ordre de grève. Et je ne veux pas qu'à chaque fois, mm. c'est-à-dire que c'est quand le mot d'ordre est, lancé qu'on appelle les gens pour pouvoir discuter. Je pense que dès maintenant, il faut s'asseoir et avoir des discussions franches pour pouvoir régler les problèmes. Bien. Euh, ce jour 3 mai, je le disais en début, c'est la 26e journée mondiale de la liberté de la presse. En cette occasion, le ministre nigérien de la communication a lu son message traditionnel. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait euh, de ce discours euh, du ministre Habib Mohamed Salah. Cette année 2019, le Niger a certes reculé de trois points, classé par Reporters sans frontières à la 66e place mondiale. Mais notre pays tient le rang honorable du 10e en Afrique. Les autorités de la 7e République ne ménageront aucun effort pour renforcer les importants acquis obtenus en faveur de la liberté d'expression et au bénéfice de la promotion du paysage médiatique nigérien, comme le démontre l'extraordinaire floraison des journaux, la diversité des chaînes de radio et de télévision et la remarquable liberté de temps qui les caractérise. Je voudrais à cet égard rendre un vibrant hommage aux médias nigériens et les appeler dans le même temps à s'investir davantage dans l'accompagnement des élections et de la démocratie dans la perspective des échéances électorales à venir et notamment les élections générales de 2021. Euh, le ministre nigérien de la communication, Habib Mamadou Salissou, que vous venez de suivre, <clears throat> Hussein Issa, quelle analyse vous inspire euh, ces propos du ministre de la communication au ben. sujet de la liberté de la presse, euh, de la place du Niger dans le classement des Reporters sans frontières mais on a connu un recul de quand même 3, euh, points, je crois. 3 hum, places, oui. C'est déjà euh, dommageable pour le pays, en tout cas pour l'image du pays. Et on sait euh, pourquoi cela. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela on, a connu beaucoup de péripéties au cours de ces dernières années, hum. en tout cas en matière de gestion de, des médias, en tout cas ou des rapports entre les médias et les gouvernants. Ça, c'est un véritable problème. Moi, j'ai dit, parce que j'ai suivi un peu l'intégralité du discours du ministre. Il a tenté de faire des comparaisons en Europe, il dit aux États-Unis, tout ça. Ils connaissent des reculs. J'ai dit non, ce n'est pas la même nature. Maintenant, ce qui revient, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu, même l'organisation de la fête, de la fête de trois mains, ce n'est plus l'engouement d'antan. On a comme l'impression qu'il y a au niveau des organisations socio-professionnelles qui doivent normalement, en tout cas, euh, faire des activités. On a comme l'impression que c'est des choses qui se passent euh, un peu dans la clandestinité. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne sont même pas informés. Il y en a aujourd'hui qui, sont, qui, qui, qui, n'ont même pas. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu de communication autour de ça. Qu quelles sont les activités qui ont été programmées C'est de part et d'autre. Hein. Et bon, c'est aussi lié quelque part à la situation dans laquelle la presse nigérienne s'est engluée au cours de ces dernières années. C'est-à-dire les, les, les, prix d'opposition partisane, les colorations et tout et tout. Je me dis, les médias, le rôle des médias, c'est d'informer, éduquer, distraire, tout ça. Hum. Et malheureusement, on assiste aujourd'hui, ou du moins au cours de ces dernières années, à une déviation par rapport à, à, ces, missions-là. Hum. Et ça fait que c'est bien beau le discours qu'il a prononcé, euh, mais encore faudrait-il créer les conditions. Je n'ai pas besoin de vous dire. Au cours de l'année, comme avait dit, écoulée, <laughs> on a imposé aux médias des, des, des, des, machins et des redressements. Les médias ont été euh, soumis à un redressement fiscal. Et bon, tout ça, ça pose problème et ça pèse dans la balance au niveau de RSF quand ils font l'analyse du contexte ces questions-là, inévitablement, c'est des questions qui sont prises en compte mhm. dans le cadre de l'évaluation pays, y compris les conditions dans lesquelles aussi exercent les journalistes. Parce qu'il n'y a pas de véritable volonté pour changer les conditions dans lesquelles existent les journalistes, exercent les journalistes. Ici, on est, en tout cas dans le secteur privé, dans le secteur privé, parce qu'au niveau du public, c'est les euh, fonctionnaires. Bien. Euh, Gara Amadou, vous avez écouté le ministre. Qu'est-ce qui retient particulièrement votre attention et comment vous, vous, analysez Oui, d'abord, effectivement, effectivement euh, je suis d'accord sur beaucoup de points avec le ministre concernant le rapport de Reporters sans frontières. Un rapport de Reporters sans frontières qui prend quand même beaucoup de, de paramètres qui ont déjà été pris en compte en 2017, alors qu'on n'est plus en 2017, ou en 2019. Mais moi, je l'ai lu, ils ont plutôt rappelé des choses qui sont passées en 2017. Et sur la base de ça, on fait un classement en 2019. Ça m'a paru un peu suspect. Mm. Ce qui me paraît encore un, encore un peu plus suspect, c'est quand on classe le Ghana devant le Niger, quand on sait que deux journalistes ont été tués dans ce pays-là, n'est-ce pas Parce que c'est des journalistes d'investigation qui ont osé révéler des choses, notamment au niveau de la Fédération ghanéenne de football, deux journalistes qui ont été tués et d'autres en tout. Vous voyez Et on, dit que ces pays-là, ce pays-là est plus classé que le Niger. Donc ça me, ça me laisse sur ma faim. Mm. Vous savez, mais c'est des confrères, euh, j'ai un devoir un peu de. Mais je suis obligé de les critiquer parce que moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Parce que quand on voit le classement, on voit d'abord qui, qui sont devant le Niger. Et on voit des pays dans lesquels, quand même, on ne peut pas, on peut pas dire qu'ils peuvent donner des leçons de, de, de, leçons de liberté de presse au Niger. Au Niger, comme il l'a dit, il y a une liberté de toi. Il suffit de prendre les journaux, de prendre les unes qui sont assez critiques Vraiment, parfois, certains, les qualifient à des critiques jusqu'à l'insulte contre les autorités. Il ne se passe rien. Maintenant, le reporter à Front Frontière a pris en compte la question des redressements euh, euh, fiscaux qui ont été faits à des organes de presse. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau de la Direction générale des impôts, les organes de presse sont des entreprises. C'est-à-dire que euh, au niveau, c'est des nifs que la direction en tout cas, la générale des impôts voit. Et quand elle voit des nifs, elle voit des impôts. Et, puis, elle fait des calculs. Mm. Maintenant, on, comprend bien la, volonté. Parce que vous savez, euh, il faut être honnête avec nous-mêmes, même la dépénalisation des délits commis par voie de presse est quand même une sorte d'injustice qu'on a fait. On nous a favorisés, nous. Vous comprenez on Oui, on nous a favorisés parce qu'on dit que si on fait des délits par, de, par voie de presse, Oh bon, on va pas en prison. mais, un citoyen il normal, il y oui, mais, non, mais, un citoyen normal qui fait les mêmes infractions sur la voie publique, il va en prison. Mm. Vous comprenez C'est pas seulement les amendes, mais c'est une injustice qu'on nous a fait et que nous nous avons accepté. Moi, ça me fait. Moi, j'ai honte hein, de, de, comprendre que j'ai des, des privilèges que les autres citoyens n'ont pas. Parce que moi, je peux faire des choses, mais il y a la dépénalisation qui dit que, bon, euh, malgré tout ce qu'on peut raconter, oui, les, gens sont égaux devant la loi. Non, mm. c'est pas vrai. Les gens ne sont pas égaux parce que, bon, il y a des catégories de gens qui ne sont pas, qui ne sont pas égaux. Il y a des journalistes qui ne peuvent pas être inquiétés quand ils font des choses pendant qu'un autre citoyen peut être inquiété. Mais bon, c'est la chose. Mm. Maintenant, on dit non. Et il y, y, a le fait qu'il y a cette dépénalisation. On dit que non, il y a les impôts parce qu'on considère que non, non. Même si c'est des entreprises, euh, <laughs> elle, parce que c'est les journalistes qui les détiennent, il ne doit pas payer des impôts. Non, je ne suis pas d'accord. Je l'ai déjà dit depuis plusieurs. Mm. Il faut que tout le monde paye les impôts de la même façon que les citoyens lambda mm, qui a sa petite boutique paye ses impôts. Il faut que le directeur de publication qui a un organe de presse, s'il y a des impôts qui sont calculés, qu'il puisse pouvoir les payer. Maintenant, s'il ne peut pas les payer, il peut négocier négocier, échéancier comme le font tout le monde. Mm, bien. Alors, Garé, le Niger, en tout cas, a perdu trois, trois places cette année dans le classement et euh, une régression continue depuis plus de, en tout cas plusieurs années. En 2016, le Niger était classé 52e. En 2017, le pays était classé 61e sur 180 et en 2018, 73e. Alors, sur quoi, à votre avis, le gouvernement et les professionnels des, euh, des médias doivent travailler pour permettre au Niger de remonter de remonter en tout cas dans ce classement. mais le problème c'est que je vous dis, le problème c'est qu'au Niger, on a euh, cette bipolarisation-là dont on a parlé, la, que La bipolarisation, cest qu'on a des médias qui sont proches du régime, des médias qui sont proches de l'opposition, et parfois les articles sont un peu euh, euh, dans le sens d'activer ces clivages-là. Et ce qui se passe, c'est que, en réalité, il y a peut-être un camp qui, qui, qui voudrait peut-être que le Niger soit toujours mal classé pour s'en servir à des fins politiques. Et il y a des lobbies qui sont en train de, de, manœuvrer. Il y a des lobbies extrêmement puissants ici sur le plan national qui sont en train d'intoxiquer Reporters sans frontières, de faire croire Alors qu'au Niger, quand on compare par rapport à certains pays comme la RDC, certains pays comme le Ghana où les journalistes sont tués, au Niger, on a beau dire, mais c'est un pays où vraiment nous sommes libres. Parce qu'aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, nous allons partout sur les radios, nous faisons des critiques virulentes contre les autorités, mais personne n'est inquiété. On voit des unes de journaux qui sont assez, je vous dis, qui, qui frisent l'insulte contre les autorités. Mais il ne se passe rien du tout. Parce qu'il y a une culture démocratique qui est là, malgré tout ce qu'on peut. On ne doit pas beaucoup se plaindre. Hein. Parce que je vous dis, on est obligé de comparer ce qui se passe ailleurs quand on voit ce qui se passe rien que récemment en Irlande, une non-journaliste a été tué. Mm. C'est vrai, c'était une balle perdue, mais quand même, une journaliste a été tuée. Je crois que dans les pays du Balte, on tue tout le temps. Mais je pense qu'il y a une responsabilité quand même pour les autorités de voir, puisque la chose est là, mm. puisque cette injustice est là où on dit que bon, il y a la dépénalisation, mm. où les journalistes sont des citoyens exceptionnels, mm. n'est-ce pas D'accord Qui sont exceptionnels, qui doivent bénéficier de certains avantages, Puisqu'on on, suppose que les entreprises de presse sont des entreprises à part qui doivent bénéficier de tout. Bon, il faut faire avec pour pouvoir avoir un bon classement. Parce que tant que ça va continuer, ça veut dire que cette année, la DGI va demander à des organes de payer des impôts. Et donc, si la DGI demande, ça veut dire que des gens ne vont pas payer. Maintenant, Sauf que, ça va ce n'est pas sur ces seuls éléments que se, base euh, Reporters sans frontières pour. Non, reporter sans frontières, je vous dis, elle a pris surtout des arguments qui datent de 2017 pour expliquer son classement de 2019. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Mm. Parce que quand même, reporter sans frontières est une organisation assez respectable. Moi, j'aurais bien voulu qu'on prenne des, des, critères vraiment objectifs sur le plan national qui concourent pour, l'année 2018, au moins, pour pouvoir faire un classement. Mais faire perdre au Niger trois places, mais le Niger, vous savez, est bon prince. Et le Niger respecte le classement de Reporters sans frontières. Et je pense qu'il eh, nous appartient, nous aussi, en tant qu'organes de presse, de capitaliser tout ce qu'on a comme acquis. Tout ce qu'on a comme acquis en termes de, pénalisation, eh, la déclaration de la montagne de la table, le sens de la responsabilité des médias dans les écrits, n'est-ce pas Parce que Reporters sans frontières a eu à dénoncer ça il y a quelques années pour dire que quelque part, les journalistes ne sont pas en train de participer à la promotion de la liberté de la presse à travers des, écrits qui portent atteinte à l'éthique et à l'identologie. Donc la responsabilité des Elle est partagée. Elle est du côté du gouvernement pour faire des efforts, pour, en tout cas, et de la côté des médias aussi, le sens de la responsabilité est demandé. Mm. Hussein euh, mmh. quel est votre point de vue à ces, à sujets euh, Qui doit faire quoi pour que, en tout cas, le Niger puisse remonter dans ce classement Parce qu'on remarque, on a remarqué une euh, chute progressive dans ce classement depuis plus de trois ans. Oui, mais bon, ben. Qui doit faire le gouvernement et les professionnels des médias, qui doivent le faire Les professionnels des médias, quand vous parlez de professionnels des médias, vous n'êtes pas sans savoir, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez bien qu'aujourd'hui encore, les <laughs> conditions précaires dans lesquelles évoluent les journalistes, un peu dans, les médias privés, <laughs> sur le plan salarial, à la limite, ils sont payés au lance-pierre. C'est quand même déplorable. Dans un pays, ça fait combien d'années qu'on est parce que tout simplement, la convention euh, collective jusqu'ici, le gouvernement n'arrive pas à créer les conditions pour que cette convention puisse être signée. Le gouvernement ou les, les, Non, mais quand je parle de gouvernement, le gouvernement peut l'imposer aux promoteurs parce que les promoteurs, ça ne les arrange pas. L'argument qu'ils avancent toujours, ils disent que non, la loi sur la publicité n'a pas encore été signée. Et rien que je crois. Euh, Actuellement, oh. la session actuelle du, Conseil supérieur de la communication est en train d'examiner justement, un projet de délibération sur euh, l'accès des médias privés à la publicité. mais malheureusement, tant que ces, conditions ne sont pas réunies, les médias doivent être parce que c'est des, jouent un, un rôle de service public au même titre que les médias comme avait dit, les médias d'État. Mm. Il faut créer les conditions pour qu'effectivement les conditions de précarité, les journalistes sortent de, cette, de, de, la précarité. tant que les journalistes sont dans la précarité, il ne faut pas s'attendre à un travail de qualité. Le deuxième aspect au niveau de l'État, mm. et ça fait que les gens deviennent des griots. Le deuxième aspect au niveau de l'État, on a une loi par rapport à l'accès aux, dit, aux informations, aux, documents administratifs officiels et tout. Mais jusqu'ici, la loi a été prise depuis je ne sais plus combien d'années, mais jusqu'ici, il n'y a pas, comment, comment on appelle ça, il a pas le décret d'application. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui bloque parce que le journaliste, quand il peut accéder facilement, et c'est ça qui fait souvent, quand on les insulte, vous ne cherchez pas l'information, vous ne venez pas à la source, mais quand vous allez rencontrer un monsieur qui détient une information, quand vous voulez le rencontrer pour pouvoir faire la contradiction ou du moins la balance, l'équilibre de l'information, il vous dit non, non, non, vous voulez en faire quoi ou il va où L'information, c'est une darée périssable. C'est-à-dire, vous allez travailler avec ce que vous avez en main. Parce que tout simplement, de l'autre côté, celui qui doit pouvoir faire l'équilibre, il le fait. Et c'est pour ça que je dis, la principale responsabilité pour que les conditions, en tout cas la situation du Niger soit améliorée, c'est au niveau de l'État que ce travail doit être fait. Euh, Gary, Effectivement, je suis d'accord avec Ousseini. La loi sur l'accès à l'information publique aux documents administratifs doit être vraiment, en tout cas, doit être promulguée. Le décret d'application doit être pris. Mm. Maintenant, vous avez des journalistes, des directeurs de publication ou des patrons d'organes de presse qui roulent dans des voitures rutilantes, dans des 4x4, pendant que le journaliste est, en train de, est obligé de sucer du caillou pour, pour, pouvoir, pour pouvoir, en tout cas, ne pas. Bon, j'exagère, mais enfin, les journalistes vivent dans une misère crasse pendant que les patrons sont dans des véhicules, ils ont des jardins, vous voyez, une vie de pacha. Et c'est eux qui pleurnichent pour que la convention collective. J'ai dit que tant que l'État va demander leur avis, les patrons de presse là, je vous assure que la convention collective interprofessionnelle ne sera jamais une réalité. Mais il faut bien une non, Non, non, mais non, ces gens là, mais ils sont en train de se sucrer sur les dos des journalistes. Nous, nous savons ce que les journalistes vivent. Il y, a, des organes de presse où il n'y a pas de salaire. Est-ce que vous comprenez où on, va te donner 30 000 pour un journaliste, père de famille. C'est avec ça que tu vas vivre. Et comment pour vous, le gouvernement doit non, il doit tout non, non, non, non, Ces gens-là, quand on va leur demander leur avis, on ne va jamais en tout cas appliquer la convention collective. Il faut que le gouvernement ferme les yeux et qu'il frappe fort dans l'intérêt de ceux qui sont en train de souffrir pour collecter l'information pendant que les patrons sont dans des bureaux climatisés ou dans des jardins en train de se prélasser. Non. Bien, nous poursuivons cette émission, le forum de la presse. Euh, je le disais en titre, sommet extraordinaire hier des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel euh, à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'invité d'honneur de la rencontre, c'est la chancelière allemande Angela Merkel. Cette dernière a promis 100 millions d'euros comme appui au G5 Sahel, dont 46 millions euh, d'euros pour le Burkina Faso. L'annonce de cette aide allemande est l'une des nombreuses annonces faites par des partenaires dans le but de permettre à la force du G5 Sahel de, pouvoir <clears throat> une pleine opérationnalisation. Alors, euh, Garé Gary Amadou, est-ce que vous avez l'impression que toutes ces annonces font l'effet escompté et comment appréciez-vous l'aide allemande, en tout cas euh, l'aide que l'Allemagne avait annoncé euh, annoncée en faveur des pays du G5 Sahel Franchement, moi, je veux qu'on aille au-delà du discours. C'est-à-dire qu'il y a eu des annonces pour le G5 Sahel. Si toutes les annonces qui avaient été faites depuis la création du G5 Sahel s'étaient concrétisées par des actes, aujourd'hui, les terroristes ne pouvaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais parce que toutes les promesses qui ont été faites en termes financiers, ces promesses-là sont restées pour la plupart des promesses. Alors les pays sont en train de chaque fois de se réunir pour en tout cas interpeller la communauté internationale, mais il n'y fait rien. Moi, j'étais, il n'y a, pas longtemps, j'étais à une rencontre avec euh, des responsables de l'Union européenne qui ont rencontré les médias. On a posé la question, on a dit, mais, mais on a promis de l'argent au G5 Sahel. Les terroristes sont en train d'attaquer. Mais pourquoi l'argent ne soit pas On dit, ah non, oui, il faut, il y a des procédures. J'ai dit, non, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Mais la promesse allemande de va se concrétiser quand Et vous voyez, on dit qu'on va donner 46 millions au Burkina. Mm. Et vous savez pourquoi Parce que le Burkina, le pays l'État est presque impuissant face aux terroristes. On peut dire que c'est un État qui est pratiquement tombé, qui, en tout cas qui ne peut pas faire face. Hmm. Donc, ce pays-là, si on ne fait pas attention, si on ne soutient pas, les terroristes vont vraiment, euh, en tout cas, venir à bout de tout. Donc, et il y a d'autres pays aussi qui sont en train de flancher, n'est-ce pas Le Mali, bon, on contrôle une partie du territoire, on ne contrôle pas une partie. Le Niger, au moins, nous, nous contrôlons notre territoire. C'est vrai que de temps en temps, il y a des attaques, mais le Niger est quand même dans ce, dans ce îlot d'insécurité le Niger peut être, considéré comme un havre de paix. Mais moi, ce que j'ai dit, ce que je demande à la communauté internationale, de grâce, ce que vous avez promis comme sous, l'Arabie Saoudite a promis de, l'argent, l'Union Européenne a promis de l'argent, la France a promis de l'argent, les pays ont promis de, contribuer dans leur budget. De grâce, faites en sorte que cette force du G5 Sahel, si vraiment vous voulez que ce terrorisme-là puisse finir, faites en sorte que ce que vous avez promis puisse se concrétiser. Parce que sinon, vous ne pouvez pas <laughs> empêcher aux acteurs de la société civile de dire que non, il y a des enjeux géopolitiques cachés. C'est pourquoi on ne veut peut-être pas que le terrorisme finisse. Hmm. Si vous voulez que ça finisse, ce que vous avez promis, donnez ça à la force du G5 Sahel pour qu'elle puisse vraiment travailler. Hussein Issa, est-ce que vous, vous avez, euh, c'est votre point de vue aussi, euh, des promesses en tout cas, euh, qui n'en finissent pas, des promesses. Moi, pour moi, euh, la chancelière allemande est venue juste prendre un bain de soleil. Un bain de soleil, non. Il faut, il faut, il faut. Ça fait, Gary vient de le dire. Le G5 Sahel, <laughs> on n'arrive pas à boucler. Les, 100 millions d'euros, c'est quand même pas. Non, mais non, 100 millions, ça a été annoncé. C'est des effets d'annonce. Moi, pour moi, c'est des effets d'annonce. Comme je viens de le dire, c'est un bain de soleil et voir un peu les, soldats allemands qui sont positionnés au, comment vais-je dire, ici au Mali, ici au Niger. Voilà un peu. Sinon, sinon, s'il y a vraiment une volonté d'aider cette force-là à lutter efficacement, on doit normalement la placer sous le chapitre 7 des Nations Unies. Et ça, on voit bien qu'il y a une résistance de la part des États-Unis. Non, mais bien entendu, ça veut dire que c'est juste les gens viennent et puis ils mobilisent nos chefs d'État qui courent dès qu'on apprend qu'un un président, ils, ils accourent, on, les convoque, on les convoque et ils sont contents. Mais en fin de compte, on est toujours à la case départ. On n'a pas bougé d'un iota par rapport à cette. Imaginez, regardez ce qui est en train de se passer au Burkina depuis un certain temps. En tout cas, depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, les attaques sont quasi récurrentes. On ne peut pas faire deux jours au Burkina sans qu'il n'y ait attaque. Au Mali, on n'en parle pas. Nous aussi, de temps en temps, par-ci, par-là. Hmm. La dernière fois, c'est un chef euh, de groupement qui a été tué dans la région et Aujourd'hui encore. Et on s'est se dans une situation où c'est les mêmes. un véhicule qui a sauté sur, euh, en tout cas, un engin explosif. Un, engin explosif, ça veut dire que, bon, nos, frontières étant poreuses, tant qu'il n'y a pas, euh, comment veux-je dire, les moyens, et on ne donne pas suffisamment de moyens pour permettre à cette force-là. Moi, j'ai dit, même les forces étrangères qui sont là, ils sont là peut-être pour autre chose. Alors, Parce que nous connaissons mieux le terrain que ces gens. Alors, si on donne les moins nécessaires, le tout n'est pas de venir dire je vais donner, je ne sais pas moi, 5 milliards ou des choses comme ça. Encore faudrait-il faire en sorte que quand vous annoncez, dans les six mois, il faut que l'argent soit disponible. Alors, une autre annonce, Hussein Issa, la chancelière euh, allemande Angela Merkel est arrivée, comme vous le savez, hier à Niamey. Citée par RFI, cette dernière a annoncé, je cite, Nous avons décidé une aide à l'équipement pour les forces de sécurité dans la région d'Ottawa. En 2020, nous prévoyons un projet similaire pour la région de Zender. Fin de citation. Comment vous, analysez cet intérêt de l'Allemagne pour le Niger C'est toujours des effets euh, d'annonce mais dans la région de Tawa, moi je dis, il ne faut pas cibler par région. On sait qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a trois régions qui sont concernées par l'insécurité, par la, crise sécuritaire. Il y a principalement la région de Difa, il y a la région de Tilabé, il y a la région de Tawa, dans une moindre proportion. Quand vous voulez donner, vous donnez. Et il revient aux, responsables, comme on avait dit, de, de voir où se trouve la priorité, dans quelle zone on doit investir suffisamment comment renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas à eux de dire, non, nous allons mettre à Tawa tel montant, nous allons mettre à Tilaveri tel montant. En 2000, combien vous dites En 2020 pour, euh, Zender. 2020 Mais déjà, une annonce est faite pour, Tawa cette année. C'est des effets d'annonce. C'est juste des effets d'annonce. Vous ne croyez pas Mais ça fait combien de temps Il y a combien de pays qui ont annoncé qu'ils vont aider la force du G5 Sahel Est-ce que ces, aides-là ont été concrétisées ce n'est pas le cas. Peut-être que l'Allemagne fera autrement. non, mais bien entendu, on va penser que l'Allemagne, même les Saoudiens, les, pays du Golfe qui ont annoncé jusqu'ici, rien, rien. On n'a qu'à placer cette force sous le chapitre 7 des Nations Unies, où la prise en charge des éléments, les éléments opérationnels, les gens qui vont être sur le terrain, les soldats, cette prise en charge, c'est l'ONU qui va s'en occuper. Encore faudra-t-il convaincre euh, certaines puissances ah mais alors là, mais ils font partie des puissances, non Est-ce que l'Allemagne ne fait pas partie L'Allemagne peut peser de tout son pas pour faire en sorte que euh, les Américains acceptent. Euh, la France peut peser de tout son pas. Et comme avait dit, mais pourquoi ils le font pas pourquoi Ils ils, promettent simplement, ils promettent tout simplement. ensuite, euh, au détour de la réunion, chacun rentre chez lui et puis bon, on attend. Gare Amadou, donc vous avez en tout cas entendu ces annonces faites par euh, la chancelière allemande qui est arrivée au Niger. Euh, une aide à l'équipement pour les forces de sécurité dans la région de Tawa d'abord. Euh, ensuite, euh, en 2020, il est prévu euh, la même aide, une aide similaire pour la région de Zander. Oui, mais moi, si j'étais à côté de la chancelière, j'allais lui poser la question, mais madame, pourquoi Tawa et Zender Expliquez-moi pourquoi et pourquoi pas Difa et Tilaberi Parce que c'est quand même ça l'urgence. Vous comprenez Et ce que, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que les forces de défense de Tawa et de Zender ne sont pas indépendantes. elles sont dans le corpus de l'armée Elles font partie d'un tout. C'est un tout. Ah ben donc voilà. Mais, expliquez-moi pourquoi vous donnez à Tawa, Vous allez dire que vous allez donner Tawa, et puis après l'année prochaine Zender. Mm. Expliquez-moi pourquoi et pourquoi pas Tilaberi et Difa où la situation est quand même assez, assez critique. C'est ça la question qu'on doit poser. Mais, mais c'est une bonne chose. Mais moi je pense que comme l'a dit Hussein, si vous avez, vous avez donné de l'argent en termes d'équipement, vous allez donner à l'armée nigérienne en général, maintenant, comme elle l'a dit, elle de voir les priorités. Et certainement qu'elle ne va pas donner au niveau des forces de défense, au niveau de Tawa et de Zander. Peut-être que l'idée, c'est de préserver ces espaces-là qui n'ont pas encore été, en tout cas, assez, assez, assez euh, pris pour cible par les terroristes et d'essayer de les protéger. Mais s'ils donnent ça à l'armée nigérienne, l'armée nigérienne va plutôt déployer ce matériel-là au niveau de Tilabiri et de Difa. C'est la logique. Mm. C'est la logique la plus simple sans, aller, sans être allé à l'école, c'est la chose la plus simple. Quand il y a on amène ça à fois on amène ça, parce que c'est là-bas qu'il y a la bataille. Donc vous comprenez. Mais euh, euh, moi, je peux, je, peux faire un peu plus confiance aux Allemands qu'aux autres pays européens, parce que les Allemands ne sont pas des gens qui mentent. Parce que s'ils ont promis une aide, j'espère, je pense qu'eux, ils vont la, ils vont, ils vont l'amener. Mm. parce Parce qu'eux n'ont pas de, peut-être d'idée géopolitique comme euh, les autres pays, les États-Unis ou, la France qui ont des, des, calculs, n'est-ce pas sûr Non, ça, ne peut pas ne, pas exister. Parce que quand les chefs d'État se réunissent, ils disent, le président ici vous l'a répéter chaque fois, il dit, mais de grâce, mettez la force du Sahel sous chapitre 7 de l'ONU. Ça va lui permettre d'avoir les moyens de fonctionnement et beaucoup plus d'efficacité. Non, non, Donald Trump, c'est l'ONU. Non, non, non, non, non, donne pas. Hussein comme si... dit que... Euh, les... Oui. Non, comme si la situation au niveau du Sahel ne peut pas avoir d'impact sur ce qui se passe en Occident ou aux États-Unis. On fait comme si c'est quelque chose à part, alors que le président de la République a rappelé, c'est une lutte globale, c'est au nom de la lutte globale qu'on demande à ce que la force du G5 Sahel soit inscrite au chapitre 7. Maintenant, il y a eu des changements. On dit non, oui, maintenant, bon, on va voir. Ils ont demandé, si on ne peut pas faire ça, au moins sur le budget de l'administration qui est une force inutile, une force inutile qui engrange des milliards, qui ne sert à rien du tout, qui n'empêche pas qu'il y ait des attaques contre le Mali, mais qui n'empêche même pas qu'il y ait des attaques contre son camp. Est-ce que vous comprenez Donc, au moins, une partie de ce budget-là, qu'on puisse l'affecter au niveau de la, du G5 Sahel. On a dit, oui, d'accord, mais quand euh, Juste une précision, euh, c'est le placement de, la force G5 Sahel sur le chapitre 7 des Nations Unies permettra euh, un financement régulier sur le long terme. Oui, parce que là, c'est les Nations Unies. Mais le problème, c'est que euh, le patron, celui qui finance les Nations Unies, en tout cas à grande partie. Les États-Unis. Ah, mais c'est ça le problème. Hussein pense que les autres pays, la France, l'Allemagne et autres puissances, peuvent peser de leur poids pour en tout cas convaincre les États-Unis. Avec Donald Trump au pouvoir, vous pensez que quelqu'un peut, peut l'influencer pour... Donald, on parle de Donald Trump, hein ah non, c'est pas possible. Ils savent. Et si Trump dit niette, c'est que ça va rester niette. C'est pas les Français ou les Italiens qui vont venir faire pression sur Donald Trump, ça ne marchera pas. Si c'était Obama, peut-être ça pourrait marcher. Mais aujourd'hui, je vous dis, le grand problème que nous avons, on a mis en place depuis plusieurs années une force du G5 Sahel qui n'arrive pas à être fonctionnelle. Parce que tout simplement, on nous a promis de l'argent et l'argent n'est pas venu. Mais ça, c'est extrêmement. C'est grave, ça. Et sur ces mots de Garé, prend faire le forum de la presse de ce soir. Euh, nous étions en compagnie de nos confrères euh, Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Hussein euh, Issa, journaliste freelance. Merci à vous, en tout cas, d'avoir bien d'avoir participé à cette émission durant ces 45 minutes. Présentation à Alassane Kouzim Mamadou, la technique assurée par Abdoulaye euh, Gonga. Euh, rendez-vous demain euh, samedi et dimanche à partir de 17h15 pour les forums en Hausa sur la caricature au Niger et en Zarma sur la lutte contre le fléau de la délinquance juvénile à Baleyara. Bonsoir.